Nous sommes mercredi 4 décembre 2024. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou, chères auditrices, auditeurs. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, Rukai Draman et Samira Rouafi. Bonjour Samira, ça va Ça va bien, Rukaya, tu vas bien Je vais bien aussi. Alors, euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui nous débutons cette euh, édition avec le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, l'écho des régions, le sport, le loti et de la musique 100% nigérienne. Dans la partie entretien, Sido nouveau président de l'Union nationale des aveugles du Niger, il nous parle de leur union à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée hier 3 décembre. L'édition est assurée par Adama Dawachi et la technique par Abdelkader Chombian. sugar Chers auditeurs, plutôt, on débute cette émission avec le flash d'informations présenté par Nafisa Adamou Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Samira, bonjour Rukaya. Bonjour. Bonjour à tous euh, et bienvenue dans ce flash d'informations. L'acteur de la société civile Moussa Changari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, a été interpellé hier mardi 3 décembre chez lui par des hommes euh, habillés en civil, nous apprend Aïr Info. Pour l'instant, aucune précision sur ce qui lui est reproché et la destination à laquelle il a été été Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'ambassadrice de la lutte contre les décès maternels et périnatales, Mme Rekija Mokoy, a rencontré plusieurs acteurs sociaux dont le gouverneur de Niamey, l'administrateur délégué de la ville de Niamey et les cinq administrateurs communaux, les leaders religieux et les centrales syndicales. Objectif à rendre compte du combat qu'elle compte mener, celui de collecter un milliard de francs CFA pour améliorer la situation car selon elle, au Niger, c'est 13 femmes qui perdent la vie chaque jour du fait de l'accouchement ou de la grossesse, soit en moyenne un décès chaque deux heures de temps. Enfin, la sixième édition de la caravane nationale des activités civilo-militaires de la région d'Ottawa a été lancée lundi dernier. Cette caravane nationale vise à soutenir l'État dans ses efforts pour la sécurité du territoire national. Elle favorise non seulement une forte collaboration entre la jeunesse et les FDS, mais aussi et surtout la participation active de la communauté et la dénonciation des actes suspects à la veille patriotique, la consolidation de la paix et l'unité nationale. C'est ici que prend fin ce flash d'information. Bonne suite à vous. Mhm. Merci bien, Nafisa. Bonne journée. Merci. Oui, Nafisa, merci. Et comme annoncé en début d'émission, en entretien, nous parlerons de l'Union nationale des aveugles du Niger. Oui, mais avant de donner la parole à Monsieur Sido, nous allons écouter la première note musicale. Tout pour moi de Cal et Meet the Queen. Cette chanson capture magnifiquement l'importance vitale de l'être aimé peut avoir dans nos vies. À travers ces paroles, les artistes nous dévoilent la manière dont l'amour et la présence de l'autre deviennent des éléments centraux, façonnant nos pensées, nos rêves et même nos priorités. L'amour ici est bien plus qu'un simple sentiment, c'est un point d'ancrage, un refuge dans lequel on trouve une forme de paix et de complétude. Elle nous rappelle que l'amour ne se résume pas à un simple ajout, mais à une transformation profonde de notre existence qui permet toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Ce que je C'était le titre tout pour moi de Queen Mint et Cal. Retour au studio pour écouter la première partie de l'entretien. Le président Sido Nuhu parle des objectifs de l'Union et ses efforts de cette dernière dans l'amélioration des conditions de vie des personnes aveugles. On l'écoute au micro de Samira Rafi. L'Union nationale des aveugles du Niger, c'est la plus vieille association des personnes handicapées. Elle a été créée en 1974. Elle a cette école qu'on a appelée précédemment École NIA et on a renommé École Soli Abdraman des jeunes aveugles du Niger. Et elle a un centre de formation des personnes aveugles à Kolon et elle dispose de plusieurs ateliers dans les régions du pays. Elle a formé des centaines de personnes aveugles et d'autres travaillent dans l'administration du Niger, d'autres travaillent à leur compte et beaucoup de physiothérapeutes dedans, beaucoup des enseignants également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des objectifs de cette association L'objectif de l'Union nationale des aveugles du Niger, c'est de promouvoir euh, et de défendre les droits des personnes aveugles, de faire en sorte que le bien-être des personnes aveugles partout où ils sont au Niger, euh, ces personnes aveugles, qu'elles vivent avec la considération et le sentiment de fierté d'appartenir à, à une société inclusive. Donc nous travaillons beaucoup euh, pour l'éducation des enfants aveugles. Nous travaillons également beaucoup pour la formation des jeunes et des, et des adultes aveugles. Et nous faisons aussi de la promotion pour les personnes âgées aveugles. Comment est-ce que l'Union aide-t-elle à sensibiliser le public sur les questions relatives aux personnes handicapées ici au Niger Alors, principalement, on se base sur les modèles qui sont existants. Ça veut dire les personnes aveugles qui ont déjà travailler ou qui travaillent encore dans l'administration et les icônes des personnes aveugles que nous avons eues et que nous avons également encore au Niger. Vous vous souvenez du ministre Soli Abdraman, vous vous souvenez également du président Farka Soumeila, ces grands leaders qui ont fait la fierté de notre euh, association. Donc on se base beaucoup euh, derrière leur image pour euh, pousser les parents à inscrire les enfants aveugles à l'école. Et on utilise également leur nom pour donner de la motivation aux jeunes aveugles pour qu'ils puissent euh, apprendre un métier et qu'ils puissent travailler et manger à la sueur de leur, de leur front. Nous travaillons beaucoup pour dire à la communauté que ne pas voir, ce n'est pas voir, mais c'est avoir toute sa dignité, toute sa fierté, de sa raison de vivre euh, comme homme tout, tout, simplement dans la société, comme euh, acteur des changements et non pas acteur toujours euh, aidé ou pris en charge. À l'occasion de cette journée internationale des personnes euh, handicapées ou disons vivant avec le handicap, qu'avez-vous organisé En fait, il a été organisé euh, deux activités, principalement par le ministère de la Santé et la direction régionale de la santé ici à Niamey. Et il a été euh, remis un don à l'école Solé Abdraman des jeunes aveugles et à l'école Pélican qui forme les, les enfants avec handicap intellectuel et à l'école Hassan Banaba pour sourds donc qui euh, donne l'éducation aux enfants sourds. Il a été choisi également 154 filles dans les régions de Niamey et d'Agadez qui ont reçu euh, un soutien donc euh, une aide financière de 50 000 par fille pour les aider à fréquenter normalement, à se maintenir dans les, écoles. Est-ce qu'il euh, y a des difficultés auxquelles euh, les personnes handicapées font face dans le cadre scolaire Alors, il y a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi beaucoup des efforts qui sont menés pour lever ces difficultés-là. Certaines difficultés persistent et certains ont été levés grâce à la bravoure, à la détermination de Dr Elisabeth, que nous remercions très sincèrement au, passage, qui, depuis son arrivée, a fait de la bonne marche de cette école son cheval de bataille. D'autres difficultés persistent, parce que quand on parle des personnes handicapées, il faut voir le Niger. Il y a des milliers d'enfants aveugles qui ne vont pas encore à l'école. Et il y a des millions de personnes, des Nigériens qui ne croient pas encore que les personnes aveugles peuvent aller à l'école et peuvent être des acteurs du changement si euh, ces personnes ont été accompagnées. Et c'est tout ça qu'il faut mettre en lumière et qu'il faut combattre. Les stéréotypes, l'ignorance, les, préjugés vis à -vis des personnes handicapés tout simplement. Donc, il faut poursuivre la sensibilisation, il faut montrer les, modèles, il faut rentrer dans les communautés les plus profondes. Vous savez que 83% des personnes handicapées vivent dans les zones rurales, selon le RGPH de 2012. Alors, euh, pour sensibiliser ces 83% des personnes qui sont dans les zones rurales, il faut beaucoup de moyens et il faut beaucoup de volonté pour pouvoir y arriver. Avant de poursuivre cet entretien, voici pour vous Rekia Moussapoussi avec sa chanson Hakinso. la chanteuse exprime avec euh, une intensité touchante la douleur et la déception ressentie face à une trahison amoureuse. À travers ses paroles, elle s'adresse directement à son amoureux, soulignant la lourde responsabilité qu'il porte de la tristesse qu'elle vit désormais. Chaque mot semble résonner comme un écho du passé, une mise en lumière de la fracture laissée par la trahison. L'artiste ne cherche pas seulement à exprimer sa souffrance, mais aussi à rappeler à celui qui l'a trahi qu'il ne peut fuir les conséquences de ses actes. La chanson se transforme ainsi en une puissance, en un puissant plutôt rappel à la prise de responsabilité. Akiso de Poussi. Après cette mélodie d'amour, nous allons pour la deuxième partie de l'entretien avec Sidonou Omoro, président de l'association ou bien de l'Union nationale des aveugles du Niger. Il évoque son souhait de voir un changement positif de mentalité des citoyens sur les capacités des personnes vivant avec un handicap et appelle l'État au soutien de la consommation locale des produits fabriqués par les personnes handicapées. On l'écoute et c'est toujours à mon micro. Quel changement aimeriez-vous avoir euh, dans la société euh, pour améliorer les conditions de vie des personnes hein, vivant avec le handicap Le premier changement, c'est bien sûr le changement, l'évolution des mentalités. Vous savez, la barrière la plus importante qui empêche aux personnes handicapées de participer sur euh, une base d'égalité avec tout le monde, c'est les attitudes négatives vis-à-vis des personnes handicapées que les communautés ont. Nous voudrons voir les, les, communautés changer de paradigme pour croire aux personnes handicapées et les accompagner dans leur promotion. Nous voudrons aussi voir un véritable système de protection sociale qui va aider les personnes les plus vulnérables parmi les personnes handicapées. Et ça, c'est vraiment un appel que j'ai à lancer aux plus hautes autorités de l'État pour que on puisse aller vers le combat contre la mendicité. Après le système de protection sociale, après avoir ouvert les chemins de l'école pour les enfants handicapés et surtout faire la promotion de consommation locale des produits fabriqués par les personnes handicapées. Nous avons effleuré le phénomène euh, de la mendicité. Est-ce que depuis que ce phénomène a été éradiqué par le gouverneur de la ville de Niamey et vous avez constaté une hausse de taux de scolarisation des plus jeunes euh, personnes handicapées euh, dans les écoles Cette mesure ne peut pas permettre l'arrivée des jeunes enfants à l'école. Non, parce que il y avait des préalables qui n'ont pas été respectés de la prise de cette mesure-là. Je vous disais tantôt qu'il fallait mettre en place un système de protection sociale. Il fallait également sensibiliser les personnes qui sont en train de faire la mendicité là. Si vous êtes sensibilisé, vous savez que vous avez aussi le minimum pour survivre. Si vous venez de la mendicité, on vous a arrêté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de plainte. Mais si je n'ai rien à manger et je ne peux pas, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Si elles ne peuvent pas travailler, l'État doit pourvoir à leur survie et maintenant les empêcher de, faire la mendicité. En ce moment, oui, il y aura un vrai changement. Et donc, c'est en cela que nous appelons, par rapport à la scolarisation, je disais, les mesures qui peuvent aussi faire progresser la scolarisation c'est la sensibilisation, c'est l'accessibilité des écoles, c'est la formation des enseignants. Parce que quand vous, si vous arrivez à l'école, vous êtes jeune aveugle. Vous êtes devant un enseignant qui n'a jamais pris en charge un enfant aveugle. Même si elle vous laisse la rentrer à l'école, elle ne peut pas vous enseigner. Donc il faut former les enseignants, il faut mettre du matériel en place. Et comme ça, Inch'Allah, nous allons combattre efficacement la mendicité. Quelles sont euh, vos attentes pour l'avenir de l'association pour le bien des personnes vivant avec le handicap Les attentes, je l'ai dit, c'est à peu près à quatre niveaux. Le premier niveau, c'est mettre en œuvre correctement l'article 8 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ça veut dire que le gouvernement nigérien doit lui-même mettre en place des campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités, afin que la population croie aux capacités des personnes handicapées. Que la population croit que les personnes handicapées elles-mêmes peuvent être des acteurs de changement, pourvu qu'on les accompagne. Un. Deuxièmement, il faut que les enfants handicapés dans leur totalité puissent aller à l'école. Parce qu'un enfant qui n'est pas allé à l'école aujourd'hui, c'est un mendiant probable pour demain. Mais si vous avez été à l'école et vous avez eu le savoir, même si on vous oblige à faire la mendicité, vous ne pouvez pas le faire. Troisièmement, c'est les jeunes et les adultes handicapés, qui ont dépassé la scolarisation. Ce que nous voudrons, c'est que l'État accroît les possibilités de formation et d'acquisition de compétences. Et aussi que l'État consomme lui-même les produits fabriqués par les personnes handicapées. On a vu l'exemple hein, dans beaucoup de pays où, quand par exemple l'État a besoin de la craie, des serpillères, des grillages, tout ce que fabriquent les personnes handicapées, l'État met en avant d'abord les produits fabriqués par les personnes handicapées. Pourquoi Parce que pour l'instant, la communauté ne croit pas. Mais le jour où la communauté voit que même le gouvernement consomme les produits fabriqués par les personnes handicapées, la communauté également va revenir et va consommer les produits que nous fabriquons et nous pouvons vivre aux dépens des produits que nous fabriquons. Troisièmement, et plutôt quatrièmement, c'est la promotion de l'emploi de, de l'emploi des personnes handicapées. Tel que l'État l'a mis dans les lois, le quota de 5%, si le quota de 5% est correctement appliqué et par les privés et par le public, il y aura moins de mendiants handicapés. Et pour les personnes âgées, et pour les groupes de personnes handicapées qui ne peuvent vraiment pas travailler, il faut établir un véritable système de protection sociale. C'est la clé, la clé pour le bien-être des personnes handicapées. Merci bien, Monsieur Sidol, d'avoir répondu aux questions du studio Kalongo. Merci beaucoup, Madame. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, passons maintenant à la rubrique hebdomadaire environnement et direction Karakara, un village situé dans la région de Dosso où la jeunesse se mobilise pour la protection de l'environnement. Face aux problèmes d'insalubrité et la dégradation des terres et la désertification, les jeunes sont des acteurs clés dans la lutte pour un avenir plus vert et résilient. Que font-ils sur place pour préserver leur cadre de vie Éléments de réponse dans ce reportage signé Mariam Adé et Habibou Garba. À Carcara, ils sont nombreux ceux qui s'investissent pour mener des actions en faveur du climat. Ce sont plus les jeunes qui sont dans ces activités, chacun dans son domaine. Le président des jeunes et son association se battent contre la pollution plastique afin d'assainir son environnement, car la salubrité reste une priorité pour eux. Bah, Récemment, un projet sur l'environnement et l'assainissement était venu pour photographier les endroits envahis par les sachets et les ordures. Après, le projet a fait une projection sur le travail qu'il a réalisé. Les gens n'en revenaient pas quand ils ont vu toute cette saleté dans leur commune de Caracara. C'est vraiment honteux. Je lance un appel pour lutter contre la pollution des plastiques en organisant des séances de ramassage et de destruction de ces déchets, à l'exemple de l'autogare qui avant était d'ordures et de sachets. Nous avons sollicité l'aide de la population pour assainir l'endroit. Maintenant, l'endroit est propre. Pour sa part, Issa Moumouni, enseignant, intervient surtout dans les actions de restauration des terres dégradées dans sa localité. La désertification menace des terres agricoles de Karkara. C'est pour cela que les jeunes ont lancé ces projets en utilisant des et les demi-lignes pour revitaliser les sols. Ces dernières années, les espaces cultivables s'aménuisent. Nous avons des techniques que les anciens nous ont léguées pour préserver les terres, comme faire des demi-lunes dans la brousse. À part les demi-lunes, il y a la technique des ailes j'ai participé plusieurs fois à ce genre de travaux de récupération des sols. Ces techniques se font avant les premières pluies. On verse du fumier. Ça permet de retenir l'eau là où il n'a pas plu. De son côté, Sahara Ineleva insiste sur la sensibilisation, un point essentiel dans la LITA. Les jeunes édifient la population sur l'importance de planter des arbres. Il doit prendre soin des arbres parce que plus tard, ces arbres seront bénéfiques pour tous raison pour laquelle on doit planter des arbres fruitiers, comme le citronnier, les manguiers, les baobabs aussi. On peut aussi profiter de l'ombre. On peut même utiliser les grosses branches pour fixer les toits des maisons. Les jeunes de Karkara montrent qu'avec un engagement collectif, il est possible de faire face aux défis environnementaux. Chacun peut contribuer dans la lutte pour le à son échelle. C'était la rubrique hebdomadaire environnement repartant en musique euh, avec euh, Fatouma Dara de Moussa Daddy zai kashe ni zai kashe ni zai kashe ni zai kashe ni ta fatuma jose fatuma ne ya anzola fatuma ne ya jai fatuma ne ya diso fatuma ne ya fatuma dara fatuma na fatuma Dans cette chanson, l'artiste rend hommage à Fatouma, une femme qui a su capter son cœur dès le premier regard. À travers des paroles pleines de tendresse et d'admiration, l'artiste décrit avec émotion l'effet d'électrisant, électrisant plutôt de cette rencontre inattendue. Le coup de foudre est palpable dans chaque vers et il devient évident que Fatouma incarne bien plus qu'une simple rencontre. Elle représente une source d'inspiration, la beauté et d'énergie qui illumine la vie de l'artiste. ke fatuma na ke fatuma dawa amma ga shi muna zamna tare muna tare da ni da fatuma ta amma ga shi muna zamna tare muna hira tare da ni da fatuma dara kal musalgu wa kal kudamu halin duniya ne Fatuma Deda Fatuma Dara Fatuma Anna Voilà, c'était le titre Fatouma de Moussa Toukou. Passons à présent au reportage région. La décision du Bénin euh, d'assouplir les contrôles douaniers à la frontière avec le Niger sont rendus publics euh, le 21 novembre 2024 a eu un impact immédiat sur le trafic des marchandises. Les produits tels que le riz et les conserves désormais autorisés à l'exportation exportés en direction du Niger. Cette, cette reprise de l'activité commerciale contraste avec le ralentissement observé depuis les événements du 26 juillet 2023, suivant le reportage de notre correspondante Balkis Assid à À 12 heures, la cour de la douane de Gaïa, véritable carrefour entre le Bénin et le Niger, plus d'activité. Depuis l'annonce de la nouvelle réglementation facilitant la libre circulation des biens et des personnes, les camions chargés de marchandises et les véhicules de tourisme affluent en provenance du port de Cotonou. Une ambiance de renouveau règne après la période de ralentissement qu'a connue ce poste frontière depuis les événements du 26 juillet 2023. Au cœur de cette effervescence, un bureau à définitif accueille les douaniers, tandis que les agents de transit s'affairent dans des bureaux plus modestes. Dans l'un d'eux s'est installé sur un fauteuil en face d'un ordinateur. Ali Moumoun Jubo, secrétaire général du syndicat régional de transit, nous accorde quelques minutes de son temps. C'est un grand soulagement. C'est comme si la frontière est ouverte en partie. Toutes les activités se passent sur le fleuve, d'accord. L'important est qu'il y ait du mouvement, vice-versa, de l'autre côté comme de ce côté quand euh, il y a changement, il y a vraiment beaucoup de soulagement dans les difficultés qu'on a eu à rencontrer euh, récemment. Maintenant, les choses commencent à reprendre peu à peu, peu à peu. Ça veut dire que on a espoir que d'ici peu, euh, que les choses puissent se rétablir complètement. Vraiment, maintenant, ça va. C'était une décision vraiment très sage, avec une pensée positive, comme quoi la population a beaucoup souffert, donc il faut vraiment soulager certains trucs pour qu'on puisse atténuer certaines souffrances par la grâce d'Allah, ça va. Il y a d'autres commerçants, je vais dire, qui n'ont pas tendance à venir vers ici, qui ont repris le chemin maintenant. Ça veut dire que c'est très important. La décision, elle est récente mais ce qui est sûr, il va y avoir une réduction de certains coûts. quelques centaines de mètres de là, sur les rives du fleuve Niger, des dockers déchargent des centaines de sacs de riz de pirogue pour les charger dans des camions en partance pour le Niger. Ahmed Talla, représentant du syndicat des conducteurs, se réjouit de cette nouvelle dynamique. Bon, vous savez que le Bénin a publié un papier mais cette directive peut prendre du temps avant d'être exécutée. Heureusement, Dieu merci, nous constatons un certain changement positif. On ne sait pas si par après ça va s'arrêter. Avant, les marchandises rentraient par endroits, mais avec cette nouvelle directive, les marchandises peuvent rentrer de partout. Il faut que les autorités véninoises laissent euh, les marchandises rentrer au Niger. Du côté des commerçants, l'enthousiasme est également palpable. Cette nouvelle réglementation allège considérablement notre travail, souligne le représentant à la douane du syndicat des commerçants Sid Fallé. Si, ça, nous arrange parce qu'il y a un avancement. Il y a un avancement, au moins le fait d'avancer, même si c'est quel que soit l'état, pas, c'est important pour nous. Personne ne peut venir t'expliquer même ce qu'il ressent, tellement que c'est dur. je connais des gens qui font 100, 150 conteneurs cette année, ils ne m'ont pas fait du conteneur. Donc vous voyez, ce n'est pas facile. Vraiment. Le fait de faire le fleuve. Parce que le problème n'est pas du côté du Niger, c'est au niveau du Bénin. Si au Bénin, des fois, vous, prenez les pirogues, on parle, on vous ramène. Prenez, tu viens, tu prends la pirogue, vous faites un groupe de gens, ils vous ramènent. Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, il faut payer ceci, il faut payer cela. Les gens qui passent par là disent que maintenant ça va. Donc c'est un soulagement. Le marché de Gaïa a aussi repris son ambiance, bien que d'autres vendeurs de céréales gardent leur mal en patience angoissée à l'idée de rater la dernière pirogue qui quitte avant 18 heures. Pour Madame Souaïba, la quarantaine revolue, vendeuse de maïs originaire de Malanville, cette décision concerne juste les personnes et non leurs marchandises. En tout cas, nous n'avons senti aucune difficulté sur la route. Ce sont nos produits vivriers qui n'arrivent pas à rentrer sur le territoire nigérien. Et ça devient de plus en plus cher, car les marchandises ne rentrent pas. Avant, on vendait le sac à 25 000 francs ou à 24 000 francs. Mais maintenant, c'est soit 27 000 ou 27 500. La tasse de maïs est maintenant à 250 francs, comme les routes sont bloquées. Avant, on vendait la tasse à 175 francs ou 200 francs. Et si tu fraudes pour faire rentrer les produits, on te les prend. Donc, vous voyez. Malgré cet enthousiasme, les différents intervenants exhortent les autorités nigériennes à suivre l'exemple de leurs voisins béninois afin d'accélérer l'intégration régionale et de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Sario Adam est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Ruki. Bonjour Adam. Nous débutons cette page sport avec un mot sur le sport roi au Niger, n'est-ce pas Adam eh bien oui, nous allons parler de lutte traditionnelle où nous sommes à notre deuxième numéro des tours des régions pour voir avec nos correspondants les préparatifs des équipes régionales. Hier nous étions à Tilaberi, aujourd'hui nous allons faire un tour à Dosso, région haute de cette 45e édition du Sable national. Abdou Aruna, le président de la Ligue régionale de lutte, déclare qu'il n'attend que le début de la compétition. On l'écoute, il est au micro de notre correspondant Aussi Abdraman. lalle gurja do har sola ayga mile iro chode dayno irgo batu irna ira eliminatoire te argurje ngo irna te birni e ime chino irgo argurje kuraga kura france chine ga igana se mise au vert sonda dai iri fun nan kai go no ika ne ka goro e sola hay kulkan igate za nan kaniya za yawai kubayen da haikulkan no insha allahu wadi kulu irna te ina fuwai ceki irna yawai nan ka ne hai kulkan iga te insha Allah ir moran daga yawa hinna ni go tun da lokaco ir koy ma ir caba lokaco ir koy ma temo yawai matun fu bani ka dosa bani ir ma gurja sintin bani ama ban bani to danga sol sole kayan aran tira danga eliminatoire Uh, eh, ifonaran ginga ki irse wani wana dus argulis bere kan igbai a fongo na kan yanga ka a fongo na kan sika no gobe te gurje woni bai jir kuli ga dubar mayan gurje do hare zama borfo no go gana borfo maka wat kulkan idi ar gurje antarrama din do hara ganda masala asiba antarrama wa zama da borsintin ka zeno ni ga gana borfo maka zama ni ga bai borfo nan gurano nika gurje wo hunkuna zanka zonai ngai kachar gurje zama zankai isi humburu zankai iga kai kan gai antaramate zama iga bai ifo ngai gogati me irwo doso inshallah ire kipo masalfo kulsino hankirga ngwarai irko mino saye Adam, parlons à présent de la Super Ligue de football et on joue la cinquième journée. Eh bien oui, hier deux rencontres ont eu lieu dans le cadre de cette cinquième journée. Le premier match a opposé le Sahel Sporting Club contre l'Espoir FC de Zender. Victoire de Zenderois à Niamey sur le score de 1 but à 0. La deuxième rencontre a opposé l'Ice Garde Nationale contre le Liberté Football Club, victoire de Liberté, 2 buts à 1. Ce soir, un dernier match pour clôturer la cinquième journée, c'est la rencontre entre l'Ice Police et l'Ice Nigelec au stade municipal de Niamey à 16h. Et chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro. À demain pour euh, plus d'informations. Merci bien, Adam. Passe une belle journée. Après ce sport, allons découvrir notre star du jour euh, dans la partie portrait. Le portrait du jour euh, nous invite à découvrir Safi Abdoulaye, une femme déterminée à combattre les violences basées sur le genre dans le département de Saï, situé dans la région de Tilaberi. Ce portrait nous est présenté par Okayeto Abdraman. Hajiya Safi Abdullahi a izihin izihinka sai departama rana gugu bafune. In ga hagwai da kafin futai kigite zamse boro al borno wal zamse boro wai borno sai kominora hajja safi agai ka goga tangam wai burai da zan kai alhakaitin mandiyan wodo hari hankuna ong jagoranki alfarmara hajja safi gogin wana sigirai kulte kan ga wai burai da zan kai ga wukan kan ya ikab kun fute kokaro kan yi kan de bon fere wani wani zanka kai ne da zanka gazantai kan yango lokolaira kan ikele gi kab kun futa iga binga im koy lokolo do ai wo ay kan bufon dara, ay bai kan ay kan daga sine zankai wanda ya yake hijen di, ima duga duga bi gin gai bon kayan di, gin gai bon murada feri ay do na gigir kondi se tele yan ima ta da bora go koy du nga kan bugoyo aga du hay kan nati iga fakare da zanka ne kan yan iga kan iga foyan kalam tun ganda haire a yi tun ga koi a bagai ni gidi haire mi kabukun futa Kabukun futa no ganan kalbura ma fattin ga bonse koi ga te yi kan mani himada da haya ka a ga koi ne imiyegi tusu imi ka ga ga kalam koi fakare da haire bumbo ai mu fakare da zankai da borai kan ganda ga muradai kulti hajiya safi abdullahi a goma ga tangam halka kason hon chowyon odo hari gamar ganda bon fere sigiri yan ka gwarandi lokolera wani wana zanka wanda ya zai lokole mu koyir gini yan odo hari a yi gudu wani gigir kondi se tele yan lokol wanda ya zai no imata da bora borago koyir dunga kan bugoyo a gudu haikan nati irgo ga mu za juro euro manka za hal bai kagir ha harino kan borai gogati yasmina bashiru agoga hajja wana sifai kulte agoga ne kan hajja safi magano ingana haibobu dondo irwo ir kurora dai ajiya hayaka ta yarse bon fera wana ir do wai baraize irwo ga saba sai ir koi dai mal barkada hinfano dai ka kandirse irgo ga saba sa kandirse da rayan a kandirse telayen kan dirse dai ginay bobo kanga bare zan hanfani am duka kay nga cewote cewo ma hinfani hal ba wo zo ga duka ga hiji indir no bon ferai mu kan gana irin duka kay gir cewote am bore hajja safi ne kan tangamokin gogate gamar ganda kabkun futa ki gite borse zamse borwo al borno wal zamse borwo wai borno ane borakul wanno borakul no him kan ningai kam ga kisina kabkun futaiwo dugi tangam Reportons musique avec euh, Sa Kunji Kuranzaki de l'orchestre Colombe de l'Aïr avec Nasser Maikank Waka. <laughs> Je te corrige, Rokaya Sa Kunji Kuranzaki de l'orchestre Colombe de l'Aïr de Nasser Maikank Waka. Yati ya ci ya da damu sabin jike ke rake zuciya na yaba akwai alayoyi. kalar budi kalar kaya na yi ba harkin ka aljihunka wane rabo da rigar soja mai aro mai hasa soja wane mutum da kakin soja daga yau sai matan sai mu da ke taba muku wasa tasar na gaishe ku ta biji sai kallon leka farnan da zubo bai goma leka iske fetin sai kalan mutum kalar kaya nai barikin kaliyunka kai yaran fada sarwa sarwa kan zalle ka adi fada inuwar fada muna fada ina na gaishe na yaba akwai arhe yaran fada haske maganin haske zuma masiya gai da sista ta na tari na gaishe na yaba akwai alheri ku ba komai kowa wani sai na gaishe barba ta yi polisu kadar na gaishe ka ba tsallo ban na kiwa karye itace zaki ba ka da tsoro waye ta ba mun kuka waye ta ba mun ba wanne da shi zane mu shi wajen araba da salumi da zancen banza wanda ya dama wura bai sha ba ita ce maka ce kai ma bishi da ce wanda ce maka bai ya san ka kai ma bishi da kallon banza har ga shekar sauran kwana a raba ne da zancen kuya da salumi da zancen banza Sendo la guitarra solo, solo, que es el color. mutum zai fada waye da ba mun hura sannu uban naki na giwa gaje itace zaki baka da turu waye da ba mun hura kowa ya taba mun hura wani da shi zane mashi waken banza a raba shi da zancen duniya sannan mun ya zancen banza ne dama wura bai sha ba in ya ce maka sai ta yi tsani kai ma biki da sai ta yi tsani wanda ce maka bai ya san ka kai ma biki da kallon banza ba ya kashe ka da sauran kwana a raba ni da zancen duniya da duniya zancen banza ne zancen duniya zancen banza ne Thank you. Après cette belle mélodie qui nous a d'ailleurs fait danser, eh, on passe au loti du jour. Et nombreuses sont les femmes qui cèdent à la tentation et fouillent dans les téléphones portables de leurs conjoints. Certains maris le font également. Mais pourquoi font-ils cela en sachant que le portable reste quand même un outil privé et personnel? À ce sujet, Rekia Arimi et Samira Rouafi eh, ont discuté, on les écoute. Loti. c'est Loti. c'est Loti. <laughs> su sugu fira mun gaisi wal mo kan banu a gafirin da ayya dai mataran go mataran go he alisa ni ga sabu mu zaga yayi gore salam aran sigama hey bogo nan ai sai duwanu ai wo hankan go gai lakal zaguwa ne <laughs> aman tokiyan ifa no nigo te da tirayi wo go dai ga haifo yan hantum hantum la sabu ber koi no ni te bogo nan ma manti hay fola sabunu hankai goce ci dai noga tayim kan su sugo ai ma feri ga koddo kara aman gaishe ni ma feri mata no ni tay gaddir yamma matkan ni gin kan basi siro ferin da a a man tay wonno ai fu koyo wonno girbai wo ai siga fahama sai no ba kai nufo a gofo gai sai haifo ga kai sabai da hey alisa ni fu koyo kan basi siro hey alisa ifo no ni goga da wallahi ni gite don da bai din tera fa hey ni nakkal kanan dai coga da ai gaba ne ga wasi ga feri ai ma yeti za a mantun jirbi Irkwai mini ya fa. ya dinga kal dai dinna feri ga di hankan gara he he he irkwai sai lakal kanan da sai nigin da yeti ganda nims koi ga tunan di jirbe si hini hmm, wallahi ate alwati kai na agofurai sai har yanga kan ai sabai da wasika ka bobo hantum yan kalce yan bobo dini ce mun boda a gutu ne jar gano lai a si ba mun bai ma hankan a goci ai ga bai kan kutike kut izu fose na goga hantum ka daidai bai mai no goce cika fugai wani farora he irkoi bere ni gwag bai hankara ni ba ni min bonke tumo wallahi amante wone si bori ni fu koyo si mani kani he wone man tahi kullu wadi sai no ai nan kala jirbi ne koyi kakan baga si sugo sambuka gona matukan ni goga tabinda ni la kultunu dimbai kan ago fakarai da wandifo a ga tansiyon da diabetes yan kul da niga man ta din mono nin bon taban di yamu yamu kai ni din koyo dinin ni bai kan askana sai ba kaina aranga makiyar dori ni na kan go aranga marasara hmm chogo wallahi ni ga cim ni bai mu zaman tun kun ne go hayo bambo wati kulu ai gidi ga guna matkanu ago tegin kan baga ci su go ga feri halga ka samun gaisi <laughs> bante wai kuru hai kan man kwai amanto ni ga cim wallahi cimi no fa to gune don da caga wasa yadin masine ni don da haifa hmm. man ta don da kere no kero nin da wai borai kulu kan ga yin gaifu kan ba sirai feri wa bai kan hari no kan ga aran gwara sara na ne bisa hai kulu yadin no cogo ai sabu gumo da kan nika irko hinna no bai hankan ai koyi gidi wala hankan ga te <laughs> don kalnim di gabdi fogo ga mo kara se no dini ai gidi hankar rani ga furo eh bogo nan wadi ne singa sambunan nan ayya ni suka ga hayi sefa ha to walla chogo <laughs> C'est là le loti euh, du jour. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Alassane Abdou. Il va nous expliquer le mot esclavage en en Mataran Alassane. ban sama la samira matsorgo e matsorgo mor kam modo hare hondi bon siranya <laughs> matiga <laughs> ham e matakan da warna ke da so handa rukaya da samira e warne irin ka kor faman dar kan gati esclavage sanni zowo irwana e, kine ya aine hasan noga zama ir wasu ne kala songai sanni bori yangene zarm sanni e, songai zarmai ga bayan kan songai bori amma mantuwar no katir nan gujina e, de matkin ci da ine mantikala ma ina de miza fo sandai fondra sanga hotti fondra de lalayen fondra de kankami de gabi gabi fondra wani sino sa sarege e, ine c'est la soumission à une autorité tyrannique amma irga ba boren fam tam wani wanir niger labora da burko sambu non gen gono ka hal suba igine aka agono tamtare da ta esclavage na sar sanniga amma tamtare hun kun zarinyo iri iri bangai irgidi boriyan kango yan tare tarayla bayrak ka labu wanira imna anasar labu gai konde nongo fo nongay konde tari no ko yongo ste imigai igidan wai kure yan ga tamtare kware ni gogte bori kan kande sai kan gogidan gwe wonen irgidimo non yango no kan hina jangai se ngwari jangai se sande se zanka kaine no albere ige konda ko gwende ko duku dan kan ngwa zanka gweyo ki ko ka albere ko kida da imdu ko bana ngumo da igen kine kan tamtareno won bandaga mu ko na harga an sari wodo ine kan ba gabi gabi hija kigite zama a yi wa hige wo bora ya dino amma irgi hinka tamma ka bai kan iro zirka ga har yango ka ta hanna albere banka ne se na kurnyo ne wannan wando ne sa daru amma hun kuna nasari do igine kan gaba gabi hige no ngai do ine kan gaba gabi hige mu har ga kaso ine kan tamtare no wani banda labiyan gono kan hun kuna fitin hurira gumo fitina dini akati zanka kaina ina malfinise igal bere wi iga char wi iga mulsa yente zanka dergin kene kan tam tamtare saburano igo wone tezama al bere yanko gono kangi tilsandi kangi gabandi kangi dan fitina wone ndibra wayan kulu tam tamtare yanno kan naka wo kan borai ga bai kan za don don kan mun tuhun kuna wangai kan te ga bisa za jir zongi hin ka jir zongi hin za jir marjefo ina bore kan za mu buro handa bon aga bore di ko konda dana di konda borad kalam ka abanda ga igine kan tam yanno bakan da hun kuna ine tarka tam wona ti do kirgi hin ki war sar kan ga ti sanni zo kase igine esclavage an kase mo irka sal bon. ina kan december hando a jirbi hinka na sargi zamarin ka di waran cinta sha ti fo amma december hande men dame kan ga kaga kai za waka yan bisa da waka yan ga hauka dirko bai a zari hinka zari yan noki ka har kan ga dukkan im gurgaida tamataradin yadniga ama ban ama dare ingano bore go gurgayda irdimo kan labubo biyara yan fatta ir niger labo rambo ati alwati yankara igi bore lakale chandi ne bo ne nyaizo kan wanda ka be hinkin warse mo hinkin warse ke hinkin warse sika jare igi ne boro misine ase tam igi bore kwanda kyar kiti harbo biyante kunda yan temo kan go gurge wadin maga donc wo kirge ngi ci warse nar kan ngi tisani zo bon ala sai gonda hayan bor yangine zarmci na kan raigma igine banya wadin e adumino walmo afo dumino lonka ifollon ifo lonka deno nigi ma ba de goyla alrano ni zo kan na haibu bonden dan goy futura ni kaino ni zanka igine fota banya tarawo kan ran go borada c'est vrai sanni ziyanno ka hun kun igitin mera bormiki igitin tini mera zama har yanka te ka bisa bore kai yan sai bumbo igine tamiyan din kan bore go gicin bore din ido hari man tamiyan me wonguka halu hal mu ka mo du boray i fitinate gunde gurgay kan igite borfogo borfo zerino borfogo kege cewega ya no wongramo borfogo zama borfomo ni kan zama har ko kan saban dabata maran wonno za borai za almanai za haiwe woni mo mutahar no kan hunkun sandirgo torsanin sa hin giru girzon ta ki girei ba amma har ga kasuhu a gono bore a borflan kai kai kai kai kai a mirgi hinkine kan zankai kan gotunura a goga dare Mhm. Chers auditeurs, merci à vous aussi pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangou, radio ne sai mu ce wanda ko ina ana sauraron shi. Kawai yanzu kun mamaye l'espace médiatique. Kun mamaye tun da ƙauye da birni ba a kwana fa. Kinan kullum muna ikutan ku. Musamman ma ku rashidi da ka hudda mana falashi ɗin ta gandun daji. Kinan ku kuna kamawa kuma wajen a tsare gandun daji kuna kamawa ta wanga kawai da a waye ma mutane kai tunda duk wanda ya shurari wani abu dole aiki zai da shi kenan daga gare ku ne abin ya faru kenan tunda da tushen ku ku kun ka zo kun ka tambaya an ka ba da bayani bisa ga wannan abun wani ya ji kenan bremen shine muke jinjina muku muna cewa banban a studio kalangu eh ni sunana abdulkadir hakika studio kalangu muna saurara ku da kyau kuma muna abubuwan na ku iya faɗakar da mutum da iya waye ma matasa da al'umma kai saman harkoki na tahiyar rayuwa da ci gaba na rayuwa musamman ma yanda matasa da sauran al'umma za su gane yanayin da ya kamata su bi ta hanya ta bunƙasa tattalin arziki na ƙasa da kawo gudunmawarsu abin da ya shahi tahiya ta ƙasa gaskiya muna jin daɗi kuma muna godiya kuma eh, ina iya cewa kaman muna kira gare ku da ku ƙara ƙarfafa ayyukan da kuke ciki wannan tunda ayyuka ne na alkhairi suna kawo gudunmawa sosai a tahiya ta ƙasa. Eh, kwanakin baya akwai wani shiri da kuka yi na harkar abin da ya shahi kiwon lahiya ne na tsammani na ɗiya mata wanda kuka yi musamman gaskiya wannan shirin ina iya cewa kaman ya burge ni tunda ya waye ma mutane kai na su gane

Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous sur cette émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, c'était Samira Rouafi et moi-même Rukaito Abdraman. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par Abdelkader Chambiano. C'était un immense plaisir de passer une heure avec vous. Restez à l'écoute pour la suite de notre second programme à partir de 17h. Bye bye.